auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, quand il est 11h, c'est l'heure de votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'est Rabia Mekano et je suis avec Mariam Adé. Mariam, ça va, ça roule ce matin Ouais, tranquille, Bibi, Ça va super bien. Alors, c'est quoi les menus du jour Mariam Kamdab. Ben, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons M. Sissé Abdouahab. Il est président de l'association des délégués médicaux du Niger. Qu'est-ce qu'un délégué médical Comment travaille-t-il Comment se forme-t-il Leur réponse dans cette édition. Et eh oui, Bibi vous les l'espoir avec notre chroniqueur sportif Souman Amadou de la rubrique Hebdo consacrée à la santé et du loti offert par les femmes du studio Kalangu. Mariam, dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Koni pour parler de la mesure prise contre l'accouchement à domicile. Et on finira par les messages de nos auditeurs, bien sûr. L'édition est assurée par notre dame de fer Adam Adawaki et la technique par Kader Chambiano les flashs d'informations avec Nafisa Sirfo. Nafisa, bonjour. Bonjour Abi, bonjour Mariam, bonjour, bonjour euh, chers auditeurs ou auditrices de Sud Kalangou. Bienvenue donc dans ce flash d'informations. Ce 13 juin débute sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites des examens du brevet de fin d'études du premier cycle à BEPC, session de juin 2023. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Ibrahim Natatou, c'est environ 140 000 candidats, toutes catégories confondues, parmi lesquels ce sont 9 566 filles qui affronteront ces examens dans 373 jurys. Parmi ces candidats, environ 130 000 sont de l'enseignement traditionnel et 11 214 du franco-arabe, soit 8,2% de l'effectif total avec un taux de 9,30% des candidats libres, a indiqué le ministre. Une session internationale de préparation au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES en sciences politiques, juridiques et économiques a été organisée pour la première fois par l'Université de d'Ottawa. 22 formateurs de 7 pays ont tenu les candidats dans plusieurs filières du 8 au 12 juin. Notez que l'agrégation sociale est un processus d'apprentissage ayant pour but de permettre l'amélioration des connaissances empiriques des candidats au grade ultime de l'enseignement supérieur. Enfin, un atelier stratégique pour une justice axée sur les personnes dans le cadre du programme d'innovation de la justice au Niger a été organisé hier à Dosso par le ministère de tutelle avec l'appui des Pays-Bas. Selon le ministre de la Justice, ce programme d'innovation a pour objectif global de tenir compte du nouveau paradigme que la justice a axé sur les personnes. Ainsi, cette approche, ce sont les personnes et les résultats qui sont au centre des efforts et non les institutions et les procédures. C'est la fin de ce flash. Merci, Nafi. À la prochaine. À la prochaine. Comme annoncé dans cette édition, nous sommes en compagnie de M. Sissé Abdulhab. Il est le président de l'Association des délégués médicaux du Niger. Bonjour, Monsieur Sissé. Bonjour, mesdames. Merci d'avoir répondu à notre invitation le plaisir est pour moi. Mais avant, bousculons légèrement les cordes de cette émission avec d'islam, du très bon slam même. Jugez par vous-même, unia de Nouratiga, de Debo Salam. Debo Salam. <laughs> Ce texte, je voulais l'écrire sur une feuille, mais j'ai préféré le garder dans mon cœur. Ce texte, c'est pour celle qui a vu son amour se noyer dans ce monde. Celle à qui je désire soustraire ses sentiments immondes. Celles qui ont besoin de crier, mais qui n'ont pas accès aux ondes. Mais surtout pour celles qui lancent des cris de cœur pour que équité résonne. Ce texte, ce texte est pour elle, qui de sa tendresse a tout brisé les mots, qui de sa douceur a su taire nos douleurs, qui de sa force reste notre lumière, qui de son sixième sens a su rendre le monde aussi beau. Je voulais l'écrire sur une feuille mais j'ai préféré le graver dans mon cœur. Celle dont le silence est un cri, et même quand tout est noir, lui elle brille. Sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère ou épouse, gloire à toi, Sarah Onia, Sarah Sarah à nos caprices, qui compte à nos premiers pas, à celle qui de sa sueur a nourri nos pas, celle qui nous a donné la vie, à celle qui d'une bague supporta vos humeurs, d'une dot elle changea de nom, celle qui assure votre progéniture, qui console vos instants les plus durs, à la sœur, cette petite mignonne que vous appelez petite sœur, qui vous respecte, qui nous sourit et jamais ne nous vexe, sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère et épouse, gloire à toi celle qui bâtit les briques de nos vies, et ses mains fragiles a su travailler notre argile, à celle qui éclaire nos voies sombrées, à celle qui de sa bénédiction nous a ouvert le monde, celle dont on a retiré le verbe, celle qui a su taire ses cicatrices, de ses larmes a su noyer nos tristesses, à celle qui nous apaise quand le monde nous tourne le dos. Femme battue, femme violée, femme heureuse, femme épanouie, indépendante ou autonome, cultivatrice ou éducatrice, première dame à quatrième femme, sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère ou épouse, gloire à toi, Sarah Oliya 사랑이야 사랑 la capitale du Niger, Nourat a intégré dès son jeune âge les milieux culturels nigériens via la danse et le cinéma. Passionnée de l'art, elle s'est laissée emporter par les écrits et les mots et décida de s'aventurer dans l'islam en 2015 pour euh, être la voix et porter haut les mots des femmes nigériennes et africaines. Image première d'islam féminin au Niger, Nourat fait partie de ces jeunes filles qui ont si s'effrayé un chemin dans un milieu fortement peuplé par des hommes. Elle est juste incroyable, Noura, Quelle puissance, quelle puissance dans le mot, quelle puissance dans le beat. Dans ce dessin, elle utilise sa plume et sa voix pour conscientiser sa génération et impacter sa société. Ainsi, elle créa le concept des gros salam à langue peul pour encourager les jeunes filles à se lancer dans la lecture et l'écriture en général et le slam en particulier, mais aussi pour qu'ensemble, elles puissent défendre les causes de toutes les femmes qui sont victimes de discrimination ou de violence. Elle est également coordinatrice de l'ONG des Son engagement pour les causes féminines lui a valu l'intégration du collectif des femmes artistes pour le, droit, pour le droit et l'autonomisation des femmes au Niger, SO Niger. Elle est également membre du collectif des slameurs nigériens, Plume du Sahel, et du collectif des artistes panafricains, CAP. Comme annoncé, nous sommes avec M. Sissé Abdelohab, président de l'association des délégués médicaux du Nigeria. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour M. Monsieur Sissé. Monsieur Sissé, dites-nous, c'est quoi un délégué médical Bien, euh, je saisis cette opportunité. Je vous remercie pour cette invitation. Euh, le délégué médical, euh, appelé aussi visiteur médical ou informateur médical, c'est le pont entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de la santé. Quand on dit professionnels de la santé, il faut entendre les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens. Donc, nous sommes comme ce que vous, les journalistes, vous êtes pour, euh, pour, le, pour, le, pour le monde. Pour, vous informez le monde, le public. Nous, nous informons les professionnels de la santé sur l'évolution de l'industrie pharmaceutique, les innovations euh, et les nouveaux schémas thérapeutiques, les nouvelles molécules les publications des sociétés savantes. Donc c'est tout ça que nous faisons. Mais comment on devient un délégué médical, une formation, cette formation Bon, disons que euh, avant, comment ça se faisait euh, Avant qu'il n'y ait des écoles de formation, avant, euh, c'est un recruteur, un laboratoire pharmaceutique qui se déplace, il fait ses annonces, la plupart du temps, c'est un métier qui est médico-marketing, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment un sourcing euh, de formation de marketeur doublé de connaissances scientifiques. Donc, il vient, il fait son recrutement lui-même, il a le profil qu'il cherche, et après, c'est eux qui forment le délégué médical. Donc, il y a une formation marketing, il y a une formation environnementale et une formation produit la formation environnementale, c'est toutes les, pathologies dont traitent les médicaments qu'on va lui confier. Et euh, la, formation produit, c'est la formation axée sur son produit et sur les concurrents. Voilà comment ça se faisait avant. Jusqu'à ce que euh, euh, aujourd'hui, dans les écoles de formation de santé, vous allez voir, il y a une filière de délégués médicaux où en on forme des délégués médicaux dans les écoles de santé. Voilà à peu près euh, comment ça se fait. Sinon, depuis un bout de temps, ce n'est plus les, laboratoires qui se déplacent, ce sont des agences de promotion qui ont en charge des contrats avec ces laboratoires qui font les recrutements. Ok. Et bon, là, on peut, demander, on peut se demander quelle différence il y a entre vous et les pharmaciens. Est-ce que vous aussi, vous vendez, euh, vous pouvez vendre Non, non, non, non, non, non. De, par même euh, la législation, nous, il nous est strictement interdit de, de faire euh, la même chose que les formations Non, non, non. Nous, nous sommes des, des, des, des, des marketeurs, nous sommes des formateurs, nous faisons donc vraiment la promotion. C'est de la vente indirecte, il faut dire, parce que derrière euh, chaque gamme, il y a quand même des gens qui sont là pour informer. Et plus vous vous informez, en tout cas, si vous avez vraiment un discours impactant, convaincant, les gens seront amenés à prescrire vos produits. Retenons quand même que nos interlocuteurs, ce sont des gens qui ont fait des écoles de santé, ce n'est pas n'importe qui. Donc on ne vient pas pour euh, euh, rouler les gens dans la farine, non. On vient en face des gens qui sont vraiment aguerris également. Tout ce que nous disons, ils ont la possibilité de le contrôler, ils ont la possibilité de le vérifier. Donc le délégué médical est amené à dire que la vérité, à donner des sources de vérification du message qu'il véhicule. Merci, Monsieur Sissé. Nous allons poursuivre cet entretien. Mais avant cela, remontons un peu le temps. Toujours avec des messages forts, avec cette reprise du titre Sanou Batahanazoa des jeunes filles de la Samaria de Maradi, ici interprétée vraiment reprise par les jeunes filles de la Samaria du quartier Cité Fessal de Niamey. Monsieur Cissé, oui. cette chanson, elle vous dit quelque chose Beaucoup même. C'est vraiment euh, une chanson qui me rappelle, je pense que j'étais encore au collège à l'époque. C'est une chanson qui retrace un peu le parcours de l'installation du multipartisme au Niger. À l'époque, euh, c'était le CND, je crois, Conseil national du développement. Ils avaient comme emblème un grand baobab pour dire que le baobab, c'est l'arbre où tout le monde se réunit, c'est la force. Et c'est plus tard le CND qui va euh, migrer pour être MNSD. Okay. Voilà, donc ça, je me rappelle très bien. Et puis, à l'époque, vous voyez, la culture était valorisée. Vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui. Vraiment, la culture était valorisée. Donc ça, ça me dit beaucoup de choses. Ah ouais, Avec cette reprise, la troupe musicale de Samaria Cité Fessal gagne le concours des chants du Festival national de la jeunesse en 1984. Maintenant, parlons un peu de Samaria. Au Niger, la jeunesse aussi est entrée dans la bataille de développement. En effet, un vaste mouvement typiquement nigérien regroupe toute la jeunesse. Il s'agit de la Samaria, ce type d'organisation née au cœur des villages, existait longtemps déjà avant 1960. Basée sur l'entraide et la solidarité, la Samaria joue un rôle actif au sein du village ou du quartier pour entretenir l'unité de ses habitants, veiller à la sécurité du village et promouvoir son mieux-être. Après avoir disparu en 1960, le mouvement a repris corps, notamment avec la présidence du général Seini Kunti. Et chaque année, les Samarias préparent le grand festival de la jeunesse qui tourne dans les principales villes du pays. Après l'éliminatoire au niveau des villages, villes, cantons et arrondissements, les meilleures troupes retenues présenteront un spectacle lors du festival. On y verra des danses, des chants, mais aussi des représentations théâtrales ainsi que des récitals de poésie, des expositions de dessins, des rencontres sportives, notamment la lutte traditionnelle. On remonte vraiment le temps. Hein. Des retours au studio avec notre invité du jour, M. Sissé. Dites-nous, vous travaillez pour des grandes firmes pharmaceutiques ou pour qui Effectivement, c'est vraiment, ça me permet de faire le distinguo. Avant, avant, quand on voit un délégué médical, il a un contrat direct avec les firmes pharmaceutiques. De plus en plus, vous allez voir que ces firmes-là sont cotées à la bourse. Ils ne veulent pas qu'il y ait des petites histoires qui vont salir leur nom. Et du coup, euh, vous n'avez, c'est très rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui travaille en direct avec un laboratoire pharmaceutique. Il y a aujourd'hui de grandes agences de promotion de, ces laboratoires. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes des, des agents contractuels de ces, de ces agences-là. Donc nous ne travaillons pas en direct pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Nous travaillons pour des agences qui sont soit euh, d'envergure internationale ou nationale. Ok. Et en plaçant, en faisant la promotion de ces produits, quelle responsabilité pèse vraiment sur vos épaules de délégués médicaux Notre responsabilité, elle est extrêmement grande. Je le dis euh, pour que les uns et les autres le sachent. D'abord, ils le savent déjà, mais pour qu'ils le maintiennent pour toujours, notre responsabilité, elle est extrêmement grande. Nous sommes acteurs de santé publique. Nous sommes autorisés à communiquer que dans les autorisations de mise sur le marché de nos produits. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un tel produit a telle indication, nous ne devons pas en sortir. Vous voyez, nous ne devons pas en sortir. Donc nous avons de lourdes responsabilités à travers la communication que nous faisons auprès des professionnels de la santé. Vous voyez, nous avons l'obligation de récolter tout ce qu'il y a comme problème de pharmacovigilance. Vous savez, un produit, il fait toute sa phase, on le met sur le marché. On va dire par exemple qu'un produit a fait effet euh, secondaire très rare, souvent ça n'existe pas, mais c'est à travers les remontées que nous faisons qu'un effet secondaire peut être fréquent et ça pousse l'industrie pharmaceutique à faire des, des, investigations pour essayer d'apporter une réponse à toutes ces, remontées-là. Vous voyez mhm. Donc c'est comme si le médicament, c'est un bébé on confie, comment on appelle ça, euh, euh, comment on appelle ça, pas au jardin d'enfants, euh, à la crèche. Vous voyez Donc, la crèche apporte sa touche aussi pour la maturation du produit. Donc, nous sommes au début et à la fin du produit. Voilà. Nous sommes au début et à la fin du produit. Quand il y a des modifications, des retraits de l'eau, tout ce qu'il y a, ça passe par nous que nous amenons au niveau de l'Agence nigérienne de régulation pharmaceutique. Vous avez vu la dernière fois, on a envoyé des, des, un message où il y a un lait contrefait qu'il fallait retirer, tout ça là. Tout ah ça, c'est ça ressort de notre travail de délégué médical. Où il y a une, contrefaçon euh, d'un lot d'un produit qui me concerne, je suis obligé d'apporter le courrier de notification au niveau de, de l'Agence nigérienne de régulation du secteur pharmaceutique pour pouvoir protéger la population. C'est aussi notre rôle. Vous voyez Donc, vraiment, le rôle n'est pas petit. Donc, c'est extrêmement lourd. Il faut qu'on le comprenne. C'est extrêmement lourd et c'est extrêmement important dans le système de, euh, sanitaire de notre pays. C'est pourquoi vous avez vu dans nos pancartes, on a, on a dit le délégué médical est un maillon essentiel de la, de la santé publique. Vraiment, nous sommes acteurs majeurs de la santé publique. On vous souhaite beaucoup de courage. On en a vraiment <laughs> besoin. ce que vous faites. Monsieur Sissé, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. On en sait un peu plus sur ce que vous faites. Et euh, je crois que euh, votre intervention, elle a été euh, vraiment. <laughs> il, fallait, il fallait vous connaître. Il fallait vous. Voilà. Donc, on fait une pause et on se capte juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Eh oui, Bibi, durant la période de froid au Niger, on enregistre des cas de chez les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, à l'échelle mondiale, l'incidence de cette maladie est en augmentation. Sans traitement spécifique connu à l'heure actuelle, les rayons peuvent néanmoins être évités grâce à la vaccination, selon les explications du docteur Abou Abdulrahman, médecin-chef du district du district sanitaire Niamey 3. Il est interrogé par Aïla Toussoumana. Les oreillons, en fait, c'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le virus orlien. C'est un virus qui s'attaque aux glandes salivaires de l'enfant et surtout donc les glandes euh, parotides. Donc ces glandes-là, c'est celles qui sont situées sur les côtés du fond de la gorge, qui touchent surtout donc la base de l'oreille, entre les mâchoires et l'oreille se manifeste par euh, soit des gonflements qui peuvent être douloureux à ce niveau, de la fièvre et des maux de tête. Les oreillons, c'est une maladie qui touche principalement donc les enfants. On la voit fréquemment plus chez les enfants parce que d'habitude les adultes font la maladie de façon bénigne. C'est-à-dire donc elle vient asymptomatique, elle vient, elle passe sans pourtant qu'ils le sachent et elle développe une immunité définitive contre la maladie jusqu'à leur âge adulte. On dit que c'est très contagieux, donc comment se fait la transmission Oui, elle est contagieuse euh, et la transmission se fait par la salive. Du moment où le virus vit dans la glande qui produit la salive. Donc c'est par la salive ou les gouttelettes portées par le courant d'air d'une personne à une autre. Ou bien lorsque les enfants, par exemple, eh, jouent ensemble ou bien donc, essaient donc de jouer avec un jouet, donc ils portent à leur bouche. Lorsque l'un d'eux est contaminé, il peut transmettre à l'autre. Par exemple, donc euh, les bisous qu'on donne aux enfants, on peut aussi transmettre cette euh, maladie. Est-ce que ça veut dire que la personne ne peut plus avoir cette maladie dès qu'elle l'a une seule fois Oui, c'est le cas de l'infection au virus ou lien ou l'un des héroïons. Une fois que vous avez été en contact avec le virus, que vous ayez développé la maladie étant enfant ou pas, donc vous ne pouvez plus développer maintenant cette maladie durant toute votre vie. Mais pour un sujet adulte qui n'est pas immunisé contre la maladie, il peut développer la maladie à un âge adulte. Est-ce que cette maladie peut se compliquer La complication la plus redoutée, en fait, c'est l'atteinte des organes génitaux masculins, dans les testicules. Et là, on parle d'orchite. La fonction de reproduction peut être euh, perturbée par cette infection chez l'adulte. Mais c'est un événement qui est assez rare à constater parce que c'est un peu moins de 5% des personnes qui peuvent développer cette maladie à l'âge adulte déjà. Et parmi eux aussi, un nombre infime va développer des complications liées à cette euh, maladie au niveau des organes génitaux. Les cas de stérilité sont rapportés à un moment donné. Ça a été le débat au niveau donc, de la communauté scientifique. Mais euh, il peut y avoir quand même donc, des cas de stérilité liés à cette euh, destruction du tissu testiculaire. Et ça, le plus souvent, ça se voit chez les personnes adultes qui ont été contaminées par le virus olien. Ça veut dire que la maladie n'est pas seulement l'apanage des enfants. Quel est le traitement des oreillons, s'il en existe Il n'y a pas de médicaments spécifiquement, mais il y a des médicaments qu'on peut donner pour soulager et prévenir des complications. Et ces médicaments-là, c'est pour lutter contre la douleur, c'est pour lutter contre la fièvre, c'est pour lutter contre le gonflement qui peut être dérangeant. Est-ce qu'on peut prévenir euh, les oreillons, par exemple, à travers un vaccin oui, il y a un vaccin contre le virus oulien et il est intégré à d'autres vaccins qui sont donnés pendant le premier anniversaire donc, de l'enfant. C'est ça qu'on appelle donc le ROR. C'est le vaccin contre la rougeole, le, virus ourlien et le virus la rubéole. Donc, ils sont des virus qui s'apparentent un peu par rapport à leur mode de contamination, par rapport à leur mode évolutif. Donc, c'est inclus dans le calendrier vaccinal euh, Chez nous, au Niger, pas encore. Ça ne fait pas partie des maladies épidémiques à surveillance euh, obligatoire. Mais sur demande, donc, on peut aussi vacciner les enfants. Est-ce que c'est payant ou gratuit il n'est pas inclus dans la gamme des vaccins gratuits. Par conséquent, je pense que lorsque les parents en demandent, donc, il se fera une ordonnance et qu'il le fasse à son enfant. Donc, euh, en général, en cas de rayon, qu'est-ce que vous conseilleriez à un parent En cas de rayon ou en cas donc d'un gonflement inhabituel de la joue, de la base de la gorge ou un sous l'oreille, nous conseillons vivement aux parents d'amener les enfants en consultation voir un praticien de santé afin qu'il puisse être diagnostiqué la maladie et qu'il puisse être vraiment pris en charge de façon correcte. Et au sein de la famille Au sein de la famille, c'est d'éviter vraiment que les enfants soient ensemble, se mélangent en fait, bon, jouent tout ensemble ce n'est pas une question d'isoler les enfants, mais quand même, de respecter certaines règles pour pouvoir permettre donc à l'enfant, de, pendant au moins les 10 jours donc suivant l'apparition de ces manifestations-là, que l'enfant ne soit pas trop en contact avec les autres enfants, sinon il va, les, il va aussi les contaminer. Quelque part aussi, c'est peut aussi que ces enfants-là étaient déjà en contact avec le virus et qu'ils étaient déjà immunisés. Mais c'est des questions de précaution qu'il va falloir prendre. Merci Lelette Soumana pour ce reportage. Bibi, un petit voyage musical dans le désert à présent avec Genestina de Femouma Boba. Caesar. شد از التزام قلب قلب از التزام 1963, près de Ingala, de la région d'Agadez, au nord du Niger, Mouma Bob, de son vrai nom Mohamed Hakkar, est un musicien guitariste touareg, fondateur du groupe de blues touareg nigérienne Imawalan. Il apprend à jouer de la guitare avec Abdallah au sein du groupe Takrt Nakala. Mariam, la prononciation, il faut vraiment toi. Mouma Bob fait partie de ces artistes touareg qui ont rejoint la rébellion touareg des années 90 et qui ont utilisé leur talent pour les causes touareg. Il a ainsi composé 11 morceaux de 1992 à 93 et donné de nombreux concerts au Niger, en Libye et en Algérie. L'argent récolté grâce à la musique était envoyé au front. Son surnom lui vient de sa coupe de cheveux qu'il portait à l'époque, longue, et Après la rébellion, Mouma Boba forme son propre groupe Imawa, connu de tous les Niger et qui est composé de 13 musiciens et danseurs Pel et Touarega. Ses chansons sont désormais pour, ont désormais pour thème l'appel à la paix et à la solidarité. Il meurt le 11 juin 2016 à Ouagadougou suite à une courte maladie. Cette chanson, je la dédie à ma binôme, Mariam, ah, et à, merci. à toute la population d'Agadez qui nous écoute sur cette émission. Vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par Rabia Mekano et Mariam Adé. Bibi, pour les sujets régionaux, direction Tawa, plus précisément dans le département de birnin Eh oui, Mariam, à Koni dans le village de Masalata, le centre de santé intégré, il y a quelques mois, était confronté à un problème de fréquentation par les femmes enceintes. Beaucoup préfèrent accoucher à la maison parce qu'elles préfèrent les pratiques traditionnelles. C'est ce qui a conduit les chefs du village à prendre des mesures il y a six mois de cela. Reportage Souman Moussa Arzeka. Mettre fin à l'accouchement à domicile était l'objectif visé par les chefs du village de Masalata, Ibrahim Dagel. C'est dans ce cadre qu'elle a pris des mesures d'interdire la pratique à toutes les femmes de la localité, sous peine d'amende. kamar mace ta aihu gida muna mata tara ta jika biyar sai ka kwanar da likita sannan ta kai gida a wannan yana sa mace dole ta san tana da juna biyu ta kiyaye da ita da aihuwa likita ne za ta yi ba a aihuwa gida sama yanzu ina ji inda mace ta samu ta ji tana da ta ji alama ko likita za ta kira Les habitants de Masalata accueillent à bras ouverts cette décision du chef pour mettre fin aux accouchements à domicile. Lalle doka ta ta kwarai don saboda aihuwa gida ga mata akwai matsala babba akwai matsala kenan dole na mace ta ɗoki juna biyu tana da ciki kenan shi ciki abu na cikin duba ka san wanda kake ɗauke da shi ba kenan dole ka nuhaci gidan likita. kenan dun da bisa kai ga awon ciki har zuwa zoke ranar aihuwar shi wallahi mun ji daɗi ita doka dai gaskiya ta yanzu ko babu doka dai a ce ga likita garin ku ka aihu gida kenan sai matsala ta samu ka tahi shi ina gaskiya saboda Allah asman bakin jin daɗi a ce ga likita garin ku duk ƙauyukan ga ainihin nasu ka zakkuwa yanzu yanzu musamman kaga har mutanen ganin Najeriya suna zakkuwa nan wurin awo kina ai bakin jin daɗi wallahi mun ji daɗi kuma mun gode ma Allah da muka samu ga likita garinmu. Pour chef du service de santé de Masalata, Ousmane Barté, cette mesure est bien respectée parce que le nombre de femmes qui fréquentent désormais le CSI a évolué. alhamdulillahi wajen dai bangaren aihuwa nan gidan likitan Masallata, lalle dai ba mu yi kama rajista adadin mata wanda ya kai haka ba. amma dai sannu sannu in mun ka diba yanzu mun ka ɗauko sakamako muna yi muna diba muna ganin akwai ci gaba kwarai da gaske tunda kamar can baya ana iya samu aihuwa da dama cikin fata guda gida kuma sai a zo na likita a diba a gani akwai kuma rauni kenan akwai karamcin aihuwa nan gidan likita to yanzu sannu-sannu da allah sa an ka samu an ka samu kama an ka ciyo kan wata matsala yanzu alhamdulillah in muka diba muna iya a samu kusan wata uku hudu biyar ma ba tare da an samu mace guda wadda ta aihu gida ba shekarun baya da sun ka gabata an samu karamcin mata sosai wanda ga zakkuwa gidan likita suna aihuwa da wata ana iya samu haka mace goma ko goma sha wani abu cikin wata guda to amma sannu-sannu da yanayin kokarin da ake na ana gabatar suwa ma'ana da waye kai inda aka yi al'umma da kuma goyon bayan magabata shi yasa yanzu abin dai an samu ci gaba kwarai da gaske tun da yanzu akalla ana iya samu aihuwa 40 zuwa 40 da wani abu cikin wata guda. Mariam, Monu Sinyala, Asuman Asman à l'autre du fil. Asuman ina kwana? Ina kwana ku. An tashi layo. ya birnin kwanni kuma a birnin kwanni lahiya kala wallahi aha to usman mun ji wannan rahoton naka wai muna so eh. mu san sabilin da yasa shi wannan mai garin eh, ya ɗauki wannan eh, matakan zani cewa ya ɗauki wannan matakan ba hmm. wannan dokar da ya dora babu shakka wannan mai garin na garin masallata dalilin abin da ya sa ya ɗauki waɗannan matakai a cikin wannan garin ya gano cewa mata mafi yawancinsu ba sa son zuwa musamman asibiti domin haihuwa saboda sun ɗau wannan wato al'ada ta mutanen dauri shi yasa ya ga irin matsalolin da suke iya suke suke zakuwa ga mata lokacin da suke aihuwa a gida shi yasa ya aza wannan dokar na cewa duk mace da bata shi ba ta aihu a asibiti na kuna dai akwai tara sannan kuma idan aka kai ta asibitin ma sai ta share 'yan kwanaki biyar tana cikin asibitin ba za a sako ta ba sai an bincike ta sosai kuma ga wannan tara. Mm, dai ko kana da masaniya bisa kan irin matsalolin da wannan matan suke fuskanta ko su ko ɗiyan da ake aihuwa? Eh to an bincike cewa lalle mafi yawancin matan idan suka aihu a gida na tsaye dai ana iya a samu musamman karamcin jini. Mm. Eh, sannan kuma a gida ba za a iya a ce a samu mace jini ba dole sai an tattale ta an sai ita asibiti kana a sa mata jini mhm. wani lokaci eh, a binciken da sun kai suka ce to kana a kai asibitin ana iya musamman a rasa ah, wadan ko ko dan ma wajen yankan cibiyar shi yasa eh, aka dau wannan dokar hmm. to ita wannan dokar wai ko kakani ake ana bibiyar ta a ganin ana aiki da ita to yadda ake ana bibiyar ta da yake masallata eh, gari ne wanda idan aka aihu dole sai mai gari yana da masaniya a kan haka mm. eh, saboda yana da mutane da dama waɗanda ke kusa gare shi waɗanda ke yawatawa a cikin garin akwai dogara akwai sauransu waɗanda ke kawo shi rahotannin cewa gidan wani kaza an aihu gidan wani kaza an aihu ke kawo waɗannan rahoto idan mace bata ya asibiti ba kenan za a je a tattalo ta a kai ta asibitin kuma a ci su tara waɗanda ba su taimakin. To Asman muna so mu sani matan nan bayan aihuwa iske suna kai yaran su a musu awo. To game da wannan doka wadda aka aza dole zai mace ta sai wurin awo eh, saboda an tilasta musu kuma dole sai sun sai awo tun lokacin da suka suka doki juna biyu ko ko lokacin da ma suka aihu dole mace ta je ta dinga zuwa awo ana ma yaran kuma allurai saboda Eh, ah, ah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous arrivons à notre page sport de cette édition. Notre chroniqueur sportif est là. Bonjour Soum. Bonjour, à tous. Soumana, ça va <laughs> Bonjour, ça va bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui donc euh, aujourd'hui, nous allons à Zender pour parler du taekwondo. En effet, la Ligue régionale de taekwondo de cette région souffre d'un problème crucial d'équipement pour la bonne marche de cette discipline. Donc, selon euh, le président de la Ligue, Ibrahim Badmassi. Dans une interview qu'il a accordée à notre correspondante de Zender, Zara Boukar, le président de la Ligue cite tout d'abord les matériels nécessaires qui leur manque et à lancer un appel aux autorités et autres bonnes volontés pour euh, leur venir en aide. Suivons le propos d'Ibrahim Badamassi. Nous avons un problème euh, de matériel et nous bloquons aujourd'hui pour développer notre taekwondo au sein de la région de Zender. Il s'agit de plastrons, de casques, euh, y compris même de tatami. Donc c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour appeler des bonnes volontés pour qu'ils puissent nous appuyer à avoir le tatami au sein de la Ligue régionale du taekwondo de Zender. Vraiment, ce n'est pas facile, mais on est en train de gérer sur le ciment, ce qui n'est pas bon. Il y a même certaines techniques qu'on dit à nos enfants de ne pas faire parce qu'il y a des risques. Raison pour laquelle on sort aujourd'hui demander les Zenderois qui sont ici à Zender et à l'extérieur de nous aider. Nous avons besoin seulement du tatami, pas de l'argent à main. On a échangé avec le président du conseil de ville, abdrahim Balarabe. Il a commencé une démarche avec euh, la Souraz et depuis un an, malheureusement, ça n'a pas marché. Quelle place occupe alors euh, le taekwondo de la région des Zender Depuis l'installation du taekwondo au Niger en 1984, il n'y a aucune région, j'ai dit aucune qui a remporté le trophée devant la région haute de Niamey, seule la région des Indes. Deuxième chose encore, c'est la seule région qui a fourni un athlète qui a représenté le Niger au championnat du monde en Corée du Sud à Moujou en 2016. Vous savez, il y a des matériels de base qu'on commence à travailler avec ça, mais les autres, ça va venir avec le temps. Et puis, bon, en football, l'équipe euh, MENA des moins de 23 ans donc euh, U23 du Niger qualifié pour la Coupe d'Afrique de la catégorie et actuellement à Tanger au Maroc. Les poulains de Zakaria ou Ibrahim se préparent pour la compétition qui débutera le 24 juin prochain. Le MENA U23 jouera son premier match officiel le 25 juin contre l'Égypte. Donc voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci, Merci à la prochaine. Merci à toutes dit Bibi, qui allons-nous découvrir aujourd'hui Mariam, dans la rubrique Portrait d'aujourd'hui, nous irons à la découverte de Ahmed Moussa, un conducteur de taxi tricycle à Delita à Arlit. Âgé de 25 ans aujourd'hui, il est une référence dans cette ville. Son portrait signé Habib Garba. Le jeune Ahmed Moussa est une référence de la ville d'Arlit. Dans le quartier Bagdad, il est surnommé Deta Faringini, qui veut dire en langue Hausa le conducteur du tricycle le plus charismatique. En effet, Ahmed a commencé cette activité très tôt lorsqu'il quitte l'école en classe de 6e. Aujourd'hui, son rêve est de fonder une famille. daga cesium na bara ikwal na koma aikin adai kawai kamar saboda ina zama ne ba da aikin yi sai an ka tsoho tsohi sun ka ce mana abin da zamu ka samu muna dan kama aiki hakan eh gaskiya so muna samu abin da gaskiya burin da nake da guda ne a cikin wanga aikin da nake na in taimaka ma na saboda na san da babu wanda zai iya taimaka musu in ba ni ba da nake tare eh gaskiya muna fatan Allah ya samu mu samu cikin shi mu armi haka Même s'il est célèbre et aimé de tous, Ahmed exerce cette activité avec souvent des difficultés. Entre autres, l'on l'état des routes ou encore les tracasseries policières à Arlit. kamar su shayar ma da suke ana gaskiya bai kamata ba ce suna hana mana abinda ba su ba sun taimaka mana mun sai shi Son Ibrahim Ahmed est Benediction pour les habitants d'Arlit et ceux du quartier Bagdad.

Mais l'incertitude gagne du terrain dans l'esprit de Ingini, car la fermeture de la mine de la Cominac a occasionné le départ de plusieurs de ses clients. Portrait réalisé par Abibou Garba, mais rendu au studio par Fanta Shamsou. Un dernier tour en musique avec Makashimaza du groupe Dangana de tsoro domin makashin maza maza ka kashi dai wallahi maza makashin maza maza ka kashi dai ba shakka maza a san mutu a san sana'a dai Ni na san ba zai ci dan zaki ba

C'est Makashim Maza du groupe Dangana de Zander, une chanson qu'on dédie naturellement à toute la population du Damagaram qui nous écoute en ce moment. Il est à présent l'heure du loti présenté par les Dex femmes du studio Kalango. La rubrique loti d'aujourd'hui traite du problème de kidnapping et enlèvement des enfants dans les grandes villes, un phénomène qui inquiète les parents. On écoute Rakia Arimi et Samira Rouafi sur ce sujet. Lottie, Lottie, <laughs> Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. <laughs> gano to shina irkoi beri nan ai mkoi ga tarai hey sulai ka irkoi se ni man dai se shina hajiya sonda ne di alburfoka, moto beri fora a furun da lady yan arwin dora a fatan da shina ifur mota ra igan ne wahara borfo kan manta wani baba irkoi beri ai furara <laughs> la ilaha illallah su la kani irkoy ya begi dangay ga ciye se ifo no dunin barfono diran dai izo ai izo falakiya kan gaise barfo diran da shina ah, ah, ah, mate ay mun faham nigo ifo ga gwaifo dumira no nigo kalinin izo zay ifo no nigo gugune ni bai aigwa hajiya hawa waiborai wani ginfuna ni bai kan hukunno parti kama jiki wana waiborai marga koi ne mo parti o ginfuna ga ba ka gir zure kula ne nan gihin ne windora tela gine ai koi no dini son kan ayye ga kamu ai ni keki benin da ganda ai mandiya inga nai goga sulaiha anai sai waina wa alborfono kaga sambu motara ai si babai barkanno <laughs> haifo hajara wallahi ni gwanda fundi bayi zan ka kai ni jiri gu izno ni ganan inga hinna windora ha wani wani lokaci wo kan ra igo dai zan kai zai inga nyangai bandai ra igo gi ha mai ha ni wo ni ga fatanim da ko cana inga hinne aba amante aman bate habu hinka albo fo yanka mota beri fora ina hanga sin fo garfon da bonga izo ha mai ina karno jina fa gani ni izo ha mai gaka akan baga hey dinga banin ma halga ka hunkuna isi bainan kan hara ifuran da kwaciya <laughs> hai boy ti ne ya dinga son mata na gite ai siya ga dai izo noya <laughs> irkwai seni ni lakkalo kanandi da irkwai yarda kule gidiya asidarai nima <laughs> matakina gune son furin dora nim duwa foto fo ya nim ka irin kwai seriya irin ci sai mu fuga ke ciyara <laughs> no igi hinga taise damanti ma ya hantum tira ibon gana isin ga hay taise isi ga doro ise <laughs> igi hinga te walla man ta har kai na mu hari bobo ni igi hinga te son gune igi hinga fulu koyi dan go kwa ga woga im furko chawo ce ciyara walmo soge kango fuganciyere bon igi e da mota kul kango bisa kalima ferigidi halko ga motaga koyni mo ya irgo alisilama yanno alfagaynir himgi gicece im kogana cew da irkoy yagda kul irgidi ko ciyawo <laughs> to irin mu koi ai gunda shina wani foto yan ai wani kan basi sirora <laughs> Hajiya guna mota kan dirin da shina ne ya ayyuka ka alhamdulillah wa ababa kai na nome Hei, ne kwai sabu. Hei, amciya babu kai ne. manta babu kai ne nin dai ni mahagwai. wallahi ni mahagwai to son don da bafu nuna shi ni sambu don matan wani gite hmm gwargasin, wani se ni gani hanga candiyan ai ne ni se hunkuna banda kira banda ai siye ga fila. ai mai izo na ingihin na windora hey a siye ga fila kwai ne dai gorgasin mantin hin nome. wai no go gona kan gidirgin gai izaino windora walmo nimdi zanka kaina kan go se i sappe walmo se en imora ingi hinno ko ekol ingi hinno ga yega ka wal ina don yanzari sanke wayna go kai to son dai mu barka koy dai ma gayi wane amin amin hey manigo. kagadi ay min da ngai bandara ai si harakara Do ifo na gine ni baba ni suna se kala ni ko ya hawa kwara kama jiki wai bugai wani jinfara hey eh, gwargasin ai ban guda bu fa hey da man tini gaba a mai gara inga kwara no hey hankan ni bai bu asiba ba kaina maji ai koi wai burawo kwara hey ai ban guda bu to lalle mu mu barka hey barka kai ben finalement, Marianne, plus on a de retrouvé... que de mal, on a retrouvé Chinounou. Chinounou il est là. au studio avec nous. China, bonjour. Bonjour Rabi, bonjour Marianne. Tu nous viens avec la rubrique culture linguistique. apparemment, et je vous viens avec même euh, euh, la culture linguistique aujourd'hui. On va voir les mots impraticables. Ok. Voilà, donc euh, impraticable, c'est un adjectif qualificatif. Il désigne quelque chose ou une action qu'elle ne peut pas mettre en, en pratique, donc qu'elle ne peut pas appliquer, mhm. un, un, endroit où l'on ne peut pas passer ou qu'elle l'on passe difficilement. Par exemple, nous sommes en saison pluvieuse au Niger maintenant. Lorsqu'une grande pluie tombe à Niamey, beaucoup de routes deviennent impraticables. C'est-à-dire, on ne peut pas passer ou on passe difficilement sur ces routes, comme c'était le cas un peu partout hier avec la pluie qui s'est abattue sur la ville. Parmi les synonymes du mot impraticable, l'on peut citer inaccessible, impossible, inapplicable, inexécutable, infaisable. On va essayer d'expliquer un peu en Hausa. Okay. Impraticable a Hausa kamar a ce kamar wani abu ne da bai yiwuwa ko kuma wani lamari ko wani wuri mai wuyar wucewa haka. Misali yanzu haka muna cikin lokacin damana a Niger, kuma mun san idan ruwan sama suka faɗu a wasu hanyoyi yamai sukan kasancewa da wahalar abi ta kansu mun gani kamar jiya bayan da ruwa suka faɗi wato wasu hanyoyi sun shiga cikin irin wannan matsala irin wannan yanayi da mm. wuya mutane ke wucewa ko da motoci ko da moto mun gwada sun ce ma sun faɗu saboda akwai ramu cikin hanyoyi wannan yanan mm. misali kenan da hausa to shina mun gode maryam za mu ci gaba da wannan shirin Bibi, ils sont nombreux les auditeurs et auditrices du studio Kalangu à réagir sur les programmes que nous leur proposons. On les écoute. To da fara dai na Sumayya Uzairu. To cikin shirye-shiryen kalangu gaskiya shirye-shiryen su suna burge ni suna ƙayatar da ni kuma suna sa mini ma hada ma nutsuwa saboda in ka tsaya kana sauraron shi ko baka san wani abu ba za ka amfana da shi musamman ma wajen yarurruka da suke sanya yau ga wannan yare da za a yi aka jima ga yaren da za a yi duka ana sanya to amma kuma abin da muke bukata a ƙara sanyawa su nemi kamar bare-bari wanda za su yi yare na bare-bari da budumanci tunda nan wurin duka Hausa Hausa ya fiye a cikin kalangu a ɗauki wanda suke suke aiki na barbarci da gudumanci wannan da komi yayi daidai gaskiya shirin matasa yana burge ni kuma duk lokacin da ban saurare shi ba ina jin wani iri kamar babu daɗi saboda ina karuwa da abubuwa da yawa a matsayina na matashiya sunana muhammadu ibrahim ina ɗaya daga cikin masu sauraro studio kalangu kuwa a nan garin gingimi program kin kalangu gaskiya yana burge ni sosai domin ina sauraron labaran da ya shafi labaran duniya kamar labaran cikin kasar mu da ma na wasu ketare domin labaran cikin kasar ma idan na ji shi a wani guri wanda mutane suke faɗa bakin su ba zan yarda ba amma da zarar na ji kamar shi a studio kalangu ina yarda kuma nima ina ya faɗi ma wani ga abin da ya faru dan na san tacaccen labari ne labari na gaskiya na gaskiya abin da suka fi kwanta min a rai kaman labaran matasa wanda suke yi subdi da lahadi da shirye-shiryen na kiwon lahiya kuma na bangaren yarika ma akwai shi yana nishadar mu da sosai amma akwai yarukan da nake so har yanzu da an kara mana so kaga nan jimi muna da yaruka da yawa amma yarukan da yanzu su suke amfani da shi kamar hausa ne wanda mu muke ji a nan garin gingimi suke yi yana gaida fada cari da balamin mai dinki da kai kanka abdullahi maina da suleiman tanimu zainabu amadu suna na mai sauraren kalangu a nan garin gegime a gaskiya suna burge ni shirye-shiryen su wanda suke a ko da yaushe da kuma a kowane yare-yare muna jin daɗin shi ko ba ni jin wani yare ana yin yare daban-daban kaɗan kuma daga ciki ina jin yaren ko ni ban ni ji akwai wani mai ji kuma in lokacin shi yayi muna zuwa ko ɗauri muke muna zuwa mu kunna radiyo mu saurara musamman ma shirin da suke yi ranan su zubdu da lahadi bisa kan matasa eh musamman shirin mata kuma da kiwon lafiya ina gaida yan gegi gaba daya da mata da yayuna kowa dai wanda yake garin gegi dai ina gaishe shi Ah, oh, merci bien, chers auditeurs. Vos témoignages nous touchent vraiment. Euh, on va se dire au revoir sur cette émission. C'est la fin de cette édition d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et Maria Madé. L'édition a été assurée par Notre-Dame de Fer Adam Adawaki et la technique par Kader Chambiano. Bon après-midi à tous. Bye bye.